amu benn cabinet bu tudd Mercalex je ne suis pas actionnaire à Mercalex. mais da nga woon am nga cabinet gis nga waaw xaaral ma terminer gis nga ñun suñu cabinet. Mhm. tuddul Mercalex. suñu cabinet mi ngi tudd euh, dama sonn waay cabinet bi nu mu tëddee sax ah? non non non. Beaucoup de Sénégalais s'interrogent sur les responsabilités de monsieur Ousmane Sonko dans l'affaire des 94 milliards. Ce film vous donne la réponse en revenant sur la chronologie des faits. Le 4 mai 2018, M. Ousmane Sonko, député à l'Assemblée nationale et leader de PASTEF, a déposé une plainte pour détournement présumé de deniers publics devant le procureur de la République. Le 8 mai 2018, il envoie une lettre de dénonciation au vérificateur général de l'inspection générale d'État pour le même motif. En août 2018, son cabinet Afrique Tax et Legal Advisor Services, en abrégé Atlas, signe un protocole d'accord avec les héritiers du titre foncier 1451-R. La fiche de présence a révélé que la réunion a eu lieu le 6 août 2018 dans les locaux du cabinet. Le 5 septembre 2018, s'est tenue une réunion entre les héritiers et Mercalex est illustré par la feuille de présence signé à cette date et authentifié avec le cachet de Atlas. Et pourtant, sur la convention signée ce jour, figure aussi le cachet de Mercalex, ce qui prouve que les deux sociétés sont créées par la même personne. Le leader de PASSEF a créé deux sociétés écrans, Atlas et Mercalex. Atlas signe son protocole d'accord avec les familles en août 2018. Son met à l'écart cette société pour passer le fromage à Mercalex qui a signé en septembre 2018. C'était pour lui un stratagème pour cacher l'implication de ses cabinets Atlas et Afex. Afrique Expertise, en abrégé Afex, est la société d'Ousmane Sonko qui a pris 55% des parts dans Atlas et 45% cédé à Ismail Abba. Le numéro du registre de commerce de Afex est SNDKR 2016 B 26 4 67. AFEX devrait être le véritable bénéficiaire des retombées de cette affaire. C'est au cours de ce même mois de septembre 2018 que le trésorier général de PASTEF, Abdourahman Baldé, est entré en jeu. Le 13 septembre 2018, il a reçu le mandat du cabinet Mercalex. Dans le dit mandat, Mercalex s'engage à rémunérer à hauteur de 10% des sommes nettes perçues dans le cadre de l'affaire. Après avoir obtenu le dit mandat, la première chose que le sieur Baldé a fait, c'est de tenter d'ouvrir des négociations avec Taïro Roussard, président directeur général de Sofico. Le trésorier général adjoint de PASTEF envoie à Taïro Roussard des messages. Ce dernier prendra le cabinet de l'huissier Maître Abdoulaye Ba pour faire constater les sollicitations d'Abdourahman Baldé qui proposait des négociations. L'huissier constatera 17 messages envoyés à Taïroussar par le sieur Baldé, trésorier de PASTEF. Des messages sont envoyés le jeudi 13 septembre 2018 Le vendredi 14 septembre 2018, Le samedi 15 septembre 2018, le lundi 17 et vendredi 21 septembre 2018. Lorsque Mamour Diallo, et d'autres agents des impôts et domaines ont refusé de céder, le leader du passif passe à la vitesse supérieure. Le 16 octobre 2018, Ousmane Sonko tient une conférence de presse pour accuser Mamour Diallo d'avoir détourné 94 milliards. Sur une affaire grave de détournement qui concerne Mamour Diallo, directeur de, des domaines et membre éminent de la paix, qui, n'est pas à son, à, son coup d'essai, parce qu'il a été épinglé par d'autres rapports, notamment l'IGE, la Cour des comptes. Une affaire de 94 milliards, imaginez-vous. 94 milliards, assis, assis sur du faux c'est à propos du foncier, assis sur du faux, pour enrichir un ou deux hommes d'affaires, trois ou quatre hauts fonctionnaires, quatre ou cinq politiciens. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec 94 milliards Devant la presse, le leader de PASTEF avait caché aux Sénégalais son intérêt dans le dossier puisqu'il venait de signer une convention avec les héritiers avec l'exigence d'une commission de 12%, soit 11 milliards 280 millions de francs CFA. L'argent devrait être versé dans le compte bancaire de Mercalex. Numéro 036 18 43 56 301 slash CBAO Claire de Lune. Adresse avenue Chekanta Diop, angle rue Léo Frobenius. Le 31 décembre 2018, invité de la 2STV, Ousmane Sonko sera interpellé sur la question mais son comportement étrange sur le plateau installera le doute dans la tête de certains Sénégalais. Il dit, je le cite, En matière d'indemnisation pour cause d'utilité publique, il ne peut pas y avoir d'intermédiaire. Fin de citation. En matière d'indemnisation pour cause d'utilité publique, nous am, intervenir, intermédiaire, nous am. Décision de justice, nous avons et pourtant, les deux sociétés écrans Atlas et Mercalex étaient des intermédiaires dans ce dossier au profit du cabinet AFEX. En matière d'indemnisation pour cause public, public, Ousmane Sonko, toujours sur la 2S Le 31 décembre 2018, déclare avec une voix hésitante, je le cite, « Je n'ai pas de cabinet qui s'appelle Mercalex cabinet de Mercalex je ne suis pas actionnaire à Mercalex. Il hésite encore parce que coincé et surpris par la question. Son co prend un temps de réflexion avant d'ajouter Notre cabinet s'appelle Je suis fatigué. Comment s'appelle le cabinet encore Il est taquiné par El Ajniaï, patron de la 2STV. Il s'appelle Atlas Group. Je n'ai qu'un seul cabinet, c'est Atlas Group. Fin de citation. Euh, dans mon son bi Atlas Group. cabinet Atlas Group. a voulu encore entraîner les Sénégalais sur une fausse piste car son cabinet s'appelle Atlas tout court. Les membres de la famille sont venus me voir pour me confier le dossier mais je n'ai pas voulu et je leur ai demandé d'aller voir un autre. Je ne suis pas mêlé dans ce dossier, encore moins mon cabinet. Personne ne peut le prouver, a déclaré Ousmane Sonko. Quatre mois plus tard, là, membre famille la famille gis ma ma dañ la bëgg parce que dégg que li nga def ci dossier bi dire que tax dossier bi taxaw su doon dire gars je sax recevoir ils sont venus on a discuté ma comme yow da cabinet dossier suma ma sañoo su ma ma jël dossier bi je n'ai violé aucune loi de ce pays ma leen d'accord bàyyi leen ma réfléchir bi ma demee ba réfléchir j'ai dit jarul may jël dossier bi parce que posé naa si des actes ci beneen fànn ci laa leen ni recommandé leen keneen dem leen ci moom mu gérer dossier bi parce que damay bañ ëllëg ñu ne moo nekk fii nekk fële donc amul benn cabinet boo xam ne man bokk naa ci L'audio qui a fait le tour du monde prend le contre-pied de son co qui a bel et bien négocié avec les familles. Au cours de cette réunion tenue dans le cabinet d'Atlas, un membre de la famille a déclaré ceci, je le cite, nous devons éviter d'être boulimiques. Ce que nous cherchions depuis plusieurs années va aboutir et chacun aura sa part et les choses se terminent par la grâce de Dieu. Fin de citation. te bañ ci am benn am na kàddu ba moo xam ne ñëwee yow Abdou mooy ñu bañ a ñu bañ ñu bañ a tiit maanaam euh, bëgg ba ci yëf yi bu ko defee intérêt général mooy li ngeen doon dàq ci at yi yëpp mu sotti ci jàmm. Pour répondre aux familles, le leader de PASTEF déclare Je suis d'accord. Je crois que le temps est précieux pour tout le monde. Nous vous recevons dans notre cabinet avec mon associé Ismaël Ba. C'est lui qui gère le cabinet à temps plein. Je sais que ma présence dans le dossier va être un élément de plus de dissuasion parce que je les connais très bien, ils me connaissent très bien, ils savent de quoi je suis capable. Dans ce genre de dossier, nous n'avons pas d'obligation de résultat, nous avons des obligations de moyens. Je ne peux pas vous garantir tout de suite qu'on aura les résultats attendus dans ce dossier. Mais je pense qu'on peut avoir un résultat, c'est que ces dossiers ne sont pas seulement techniques ou judiciaires. Nous les tenons quelque part par rapport à une cascade de forfaitures sachant que c'est cela leur point faible, c'est ainsi seulement qu'on peut avoir quelque chose avec eux. Et c'est ça qu'on va d'abord exécuter. Dixit Ousmane Sonko. Euh, d'accord, je crois qu'on ne doit pas perdre du temps. Parce que le temps est précieux pour tout le monde maintenant. Avec une chose d'aller, quelqu'un va y aller. Euh, di leen dalal cabinet euh, avec mon associé Ismaël Ba. Mmh. Moi, j'ai le cabinet de la table Je j'ai pas le temps de <laughs> faire euh, beaucoup de temps dans le de l'expertise parce que je sais que ma présence dans le dossier peut être un élément de plus de parce que je les connais très bien, ils me connaissent très bien, ils savent de quoi je suis capable. Si on doit travailler avec notre cabinet, le cabinet va préparer un protocole qu'on va vous présenter pour vous dire notre travail c'est uniquement le recouvrement du patrimoine de la famille. Et en contrepartie, voilà ce que nous comme commission. Nous ne voulons rien d'autre et nous ne serons mieux. de man li ma xam li ma jox mooy procédure yi ñu doon faire une fois que le gars a l'état lui fait une une chômagisation ça Attestation de créance du même nombre. Et, il va non, l'ordre, c'est-à-dire de confort, justement. On établit lien de confort, pour une petite banque commerciale, une étape de droit une banque commerciale escondée, mais je prends les 5 milliards ou les 10 milliards et je te donne le reste. Et puis la banque commerciale peut se faire payer chaque année sur 5 ans, 10 ans, 15 ans boobu def xaalisam xam quand gagné a gagné 17 milliards milliards c'est ça la règle c'est plus compliqué que ngeen gis Quand vous ko qui noonu pourquoi nous pensons que mën nañu faire quelque chose ci dossier une fois de plus dans ce genre de dossier là nous n'avons pas d'obligation de résultat obligation de moyens de je ne peux pas vous garantir tout de suite que le dossier bi euh, à résultat de ñu mais li tax yaakaar ne mun nañ ko fi am mooy mel ni c'est pas des dossiers seulement techniques ou judiciaires day am fooy jàpp nit te loolu lañu yoon ñun parce que dama xam ñi ma amal affaire day am foo la ñuy par rapport à une cascade de forfaiture extrêmement grave xam ni loolu ñoom mooy seen point faible bu nga mën a amee ni nga bëgg si ñoom mm-hmm. et c'est ça qu'on va d'abord utiliser président de PASSEF a pris toutes les précautions pour effacer ses empreintes dans les dossiers d'Atlas et Mercalex en confiant la gestion à son associé Ismaël Abba. Le parti PASTEF, les cabinets Atlas, Mercalex et Afex ont les mêmes intérêts dans cette affaire des 94 milliards. Cela est confirmé par le numéro de téléphone fixe 33 827 31 51 que partagent Atlas et Mercalex, qui ont pourtant des adresses différentes à savoir Marist pour Mercalex et Sudfoire pour Atlas et les actes notariés. Lors du meeting du 18 janvier 2019 à la place de l'obélisque, le candidat Ousmane Sonko est revenu à la charge pour révéler que 46 milliards ont été virés dans un compte et qu'il connaît la banque, le compte et les noms banque banque 46 milliards Maintenant, le doute n'est plus permis que sur l'implication directe d'Ousmane Sonko dans l'affaire des 94 milliards à travers ses cabinets Atlas, Mercalex et Afex et son intention de percevoir illicitement une commission estimée à 11 milliards 280 millions de francs CFA. Depuis un an, le leader du PASTEF accusateur de surcroît peine à prouver ses allégations. Or, les Sénégalais ne demandent que des preuves qui pourraient confirmer le détournement des 94 milliards de francs CFA par Mamour Diallo. Ainsi, Ousmane Sonko prouvera qu'il n'est pas un adepte des contre-vérités et il gagnera la sympathie de tous ses compatriotes. Autrement, il perdrait toute sa crédibilité.